le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du 18h passé de 15 minutes à Niamey, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou, qui réunit des journalistes pour analyser les principaux sujets de l'actualité nigérienne. Ce qui a retenu notre attention cette semaine, c'est la situation humanitaire de la région de Tilaberi après la suspension des activités des ONG pour des raisons sécuritaires. À l'université, c'est la signature d'un protocole d'accord entre le syndicat des enseignants-chercheurs et le gouvernement, mettant fin à cinq mois de grève. L'actualité, c'est aussi l'indignation des acteurs de la société civile d'Arlit après l'annonce de la fermeture prochaine de la compagnie minière d'Akuta Cominac qui serait en fin de vie. Pour analyser ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Hassan Boukar, bonsoir. Bonsoir. Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Et Rufai Dendoua, journaliste sportif. Rufai Dendoua, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Bienvenue à vous tous dans ce forum de la presse de ce vendredi que nous ouvrons par la situation humanitaire dans la région de Tilaberi. En effet, l'arrêt des interventions des ONG internationales dans la région de Tilaberi suite à la dégradation de la situation sécuritaire a poussé les réfugiés maliens du camp de Tabarbaré à faire mouvement sur Ayoru. Les réfugiés laissés à eux-mêmes et que notre correspondant a rencontré à Ayoru. La semaine s'est passée, on a commencé à faire des formations sur les bénéficiaires des animaux et ceux qui vont bénéficier des petits commerces. Mais c'était perturbé. Depuis qu'il y a eu l'enlèvement des deux véhicules, tous les partenaires ont quitté les camps. Même ce matin, j'étais sur le camp de Tabarebaret n'y a aucun partenaire. Et maintenant, je vois même certains réfugiés qui ont commencé à déménager pour venir à Yuru. Depuis quelques jours, les humanitaires ne venaient plus et ils nous ont rien dit en quittant. Le col même est fermé. C'est pourquoi nous avons déménagé. Mes enfants, mon mari et moi pour venir à Ayuru. Notre calvaire ici, c'est d'abord le manque d'eau à boire parce que toutes nos réserves sont épuisées et nous n'avons plus d'appui. Ensuite, nous n'avons pas de nourriture. Même le centre de santé a été fermé. Moi-même qui vous parle présentement, ma femme est malade et je n'ai pas les moyens de la faire soigner à l'hôpital. Hassan Boukar, votre commentaire après avoir écouté quelques réfugiés du camp du Tabarbaré à Ayoru. Oui, je pense que c'est une situation préoccupante euh, euh, qu'il y a dans cette région. Euh, je pense que euh, la sécurité a atteint un niveau où les humanitaires considèrent qu'ils ne peuvent pas continuer à intervenir dans la région. Et donc, ça fait une situation totalement difficile pour ceux qui bénéficient des actions des humanitaires, notamment les réfugiés maliens qui sont là depuis plusieurs années maintenant. C'est donc une situation, à mon avis, très préoccupante. Normalement, si les humanitaires s'en vont, c'est à l'État de prendre la place pour essayer de de faire quelques actions au moins euh, pour les vivres, pour la santé de ceux qui sont dans ces camps de réfugiés, tout ça. Est-ce que l'État a les moyens aujourd'hui de prendre en charge tous ces réfugiés-là Mais je pense que ne serait-ce qu'en entendant qu'on trouve une situation meilleure pour ces personnes, il ne faut pas les abandonner. Parce que si les humanitaires s'en vont, c'est comme si ces populations qui sont souvent dépendantes, hein, quasiment à 100% de ces humanitaires, donc ces populations sont, sont abandonnées. Il faut bien trouver les moyens. Ça peut être des actions coordonnées entre l'État malien l'État du Niger, puisqu'on n'est pas loin de, la frontière quand on parle de, cette zone. À mon avis, il faut trouver les moyens de parer au moins au plus pressé sur les questions de santé, d'alimentation de, ces populations. Il y a beaucoup de femmes, des enfants qui sont très vulnérables dans ces camps à mon avis, il faut absolument trouver une solution. C'est vrai que lorsque la situation sécuritaire se dégrade davantage, il faut s'attendre à ce type de, conséquences. Et malheureusement, c'est ce que vivent déjà ces populations. Donc, selon vous, ce n'est pas une surprise pour le gouvernement nigérien Normalement, ce n'est pas une surprise, puisque le gouvernement sait quand même déjà, au vu de l'évolution de la situation sécuritaire le long de la frontière avec le Mali, que de telles situations peuvent arriver. Euh, on voit déjà euh, euh, toutes les conséquences sur les FDS déjà qui interviennent dans, cette zone. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Je pense que depuis quasiment un an et demi, presque deux ans, on voit que l'insécurité va crescendo dans cette zone qui connaissait déjà, hein, il faut le dire quand même, un type d'insécurité lié au petit vol euh, qui s'est réglé avec des armes blanches, etc. etc. Mais aujourd'hui, avec euh, l'arrivée de ces groupes ou du Nord-Mali qui interviennent quasiment, que ce soit le long de cette frontière, que ce soit le long de la frontière avec le Burkina Faso, c'est donc une zone dans laquelle il faut s'attendre au pire. Quoi. Et le pire, c'est vraiment ce qui est, ce qui est arrivé. Mais au-delà des réfugiés qui étaient là de longue date, hein, je pense que euh, la dégradation de la situation sécuritaire au Mali, avec euh, notamment des conflits communautaires. Là aussi, ça s'est traduit par euh, le déplacement des populations du territoire malien vers cette zone de, de Tilaberi. Et du coup, ça fait beaucoup de monde qui ont besoin justement de l'appui des, des, humanitaires. J'ai eu l'occasion de visiter pour des actions euh, qui étaient faites par Alternative dans cette région de, de, de Tilaberi, déjà en discutant avec euh, les élus locaux, avec les collectivités on savait déjà qu'il y avait beaucoup de monde qui arrive et déjà euh, les gens étaient inquiets sur comment pouvoir arriver à aider toutes ces personnes là. Alors aujourd'hui donc le départ de ces humanitaires, ça fragilise davantage la population. Issa Madougou, quelles seront les autres conséquences de la suspension des activités des ONG internationales dans cette région de plus en plus difficile Merci Mokhtar. Au-delà de ce que la prise en charge de ces réfugiés dans ces différents camps, si on peut le dire ainsi, par exemple, puisqu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas au niveau seulement de Tabaré-Baré que se trouvent des camps. Il y a le, camp du Mangaïsé Effectivement. Donc, euh, au-delà de la prise en charge, il ne faut pas oublier que dans cette prise en charge, qu'il y a des personnes, une catégorie vulnérable, à savoir les femmes et les enfants, c'est que c'est, il faut éviter à ce qu'il y ait cette pression démographique qui puisse engendrer des conflits entre les autochtones et les populations. Parce que tant qu'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, assez d'eau pour les réfugiés, ce qui veut dire qu'ils vont continuer à descendre vers les, villages, vers ailleurs, évidemment. Et c'est là tant que la population n'est pas préparée. Et connaissant un peu le contexte, comment ça se passe, parce que vous savez que Ayaru, aujourd'hui, avec le démarrage de, bientôt des travaux du barrage de Kandaji, eux-mêmes, ces populations sont dans une phase de relogement. Donc vous voyez un peu le problème que ça risquerait de créer. C'est pour cela que les autorités devront s'intéresser euh, à, la question. et de trouver le juste milieu pour éviter ce genre de, de problème entre populations euh, euh, autochtones et les réfugiés. Mais au-delà de ça, c'est qu'il y a un problème au niveau de la gestion de ces camps. Parce que moi, j'estime que depuis ces années, ce camp est établi. On ne peut pas en dire que jusque-là, on est dans cette forme de spirale de maintien des gens dans la paupérisation, qu'ils ne sont pas résilients. Non, il faut trouver, même si la personne arrive vraiment dans des conditions très difficiles à quitter son domicile, à se retrouver dans un camp, tout le monde sait que ce n'est pas qu'il a choisi. Mais il ne faut pas rendre toujours cette personne dépendante. Il faut trouver vraiment des mécanismes. Il faut les occuper. Oui, des mécanismes pour que ces populations soient résilientes, soient à mesure vraiment de rentabiliser leur propre quotidien mais à, être, tendre toujours la main, ça serait toujours un poids de plus pour la communauté internationale et aussi l'image de, nos pays qui vont continuer à tendre la main pour dire non, on a besoin de la venue de telle ONG, telle ONG. Il faudrait éviter tout cela. C'est à nos États aujourd'hui de trouver de commun accord avec le Mali. Moi, je pense qu'on devrait permettre à ces gens, depuis trop, c'est trop d'années, depuis des années, on peut, on peut trouver des mécanismes pour que ces gens, une partie, de façon volontaire, dans un premier temps, puissent retourner chez eux pour reprendre l'activité parce que ce n'est pas tout cette partie qui est. Et les gens qui sont restés là-bas, est-ce qu'ils sont décapités chaque jour Non, il faut que nous aussi, Africains, parfois dans des situations difficiles, que nous soyons résilients face à certains problèmes, à certaines réalités. Parce que le fait d'être chaque fois euh, sous la coupe de quelqu'un, mais c'est que ça ne nous garantit pas un avenir radieux. C'est pour cela même nos États devront penser. Aujourd'hui, cette situation, le départ des ONG, tout le monde sait que c'est un coup dur dans la prise en charge de ces personnes. Mais nos États aussi n'ont pas les moyens de, de venir à, euh, de subvenir euh, aux besoins, de, ces réfugiés. Parce qu'aujourd'hui, si nos États avaient les moyens, est-ce que les camps là seront gérés par des ONG le 7 mai, le Conseil de sécurité d'Ayoru a décidé d'escorter obligatoirement les humanitaires et de renforcer les patrouilles. Euh, mais ces ONG ont fait bloc pour ne plus aller dans cette zone. Euh, comment sera la situation des personnes dans les semaines ou mois à venir Merci Mokhtar. Euh, déjà, il faut, dire que euh, c'est un problème qui s'ajoute à, la querelle de problèmes que les gens euh, d'État comme le Niger traversent. Déjà, il faut se dire que ce n'est pas une priorité, la gestion des réfugiés, puisqu'il y a beaucoup plus de priorités et dans un pays comme le Niger, on va en parler, c'est par exemple la question de l'éducation, mais si à, tout cela s'ajoute aussi la gestion des réfugiés qui sont abandonnés par des ONG qui sont là, euh, c'est encore un autre problème. Et avant de répondre à votre question, j'aimerais juste rebondir un peu sur ce qu'Issa avait dit quand il avait parlé de, du fait d'occuper les, réfugiés. Des fois aussi, il y, a des gens qui, qui, se plaisent dans la facilité. Même si on essaie de leur trouver des choses à faire, ils sont habitués à la facilité, on leur donne tout à manger, à boire, des fois à s'habiller. Donc, ils sont contents de, de, leur situation parce que ce sont les, les, ONG internationales, la plupart eh, européennes qui sont là, qui, qui, s'occupent d'eux. Maintenant qu'ils ne, ne sont plus là, ou même si on essaie de leur trouver quelque chose à faire, ils ne pourront pas parce qu'ils sont, eh, sont déjà habitués. sont trop fainéants, ils sont habitués à la, à, la, facilité. Et ça va ajouter, pour répondre à votre question maintenant, à, déjà à cette facilité et aussi aux problèmes que rencontre des, euh, le Niger dans la gestion de, de, ce genre de, de problèmes. Et, parce que ce n'est pas le seul en dehors même de, de Tilaberi. La dernière fois, j'ai vu à Guidan Rumji aussi qui a reçu des, des, réfugiés venant du Nigeria, de, Boko Haram. Vous voyez, si on dit que l'État du Niger, par exemple, va gérer tout, tout ça, c'est beaucoup de choses à faire. Je pense que l'État ne pourra pas le faire. Euh, et les Nigériens qui sont déjà là, doivent s'habituer à recevoir d'autres personnes qui n'ont pas l'habitude de voir, d'autres, une autre culture, euh, un autre mode de vie qui, qui vient s'ajouter à ce que déjà elles, connaissent. Je pense que ce problème d'insécurité dans, au Niger commence à être beaucoup plus pesant qu'on ne qu'on l'imaginait peut-être. Parce que et, moi, je pense que c'est normal, par exemple, que ce genre d'ONG quitte, parce que vous savez que lorsqu'on prend une peau blanche ou kidnappés, si vous voulez, par, par, des, par des terroristes. C'est beaucoup d'argent et ça fait de la mauvaise publicité, même pour l'État en question. Et je pense qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge en plus de cette euh, question de je disais que le 7 mai, le Conseil de sécurité d'Ayoru a décidé d'escorter militairement euh, les humanitaires et de renforcer les patrouilles. Mais. Euh, lorsque euh, comment vous allez accepter de, se faire escorter lorsque ceux qui vous escortent aussi ne sont pas à l'abri Vous voyez euh, euh, c'est de bonnes guerres, c'est normal qu'ils ne pas parce qu'ils ont vu il y a quelques jours des, nos militaires qui ont été victimes d'un traquenard des, forces du mal elles sont tombées dans ce traquenard. On a perdu beaucoup de, de, Nigériens, beaucoup de militaires. Mais si ce sont ces mêmes militaires qui vont vous accompagner, c'est normal que euh, vous ne vous sentiez pas en sécurité et que vous décliniez cette offre. Je pense que c'est tout à fait normal. Moi, je, je, je n'en veux pas aux ONG d'avoir quitté ces, la frontière parce que vraiment, elles sont en insécurité. Dans la mesure où les militaires même qui sont là-bas, qui sont... Préparer dans ce genre de situation, sont en insécurité, c'est normal que les ONG le soient aussi. Hassan Boukar, euh, comment alors assister ces réfugiés qui sont sans repère aujourd'hui Je disais, euh, normalement, si les humanitaires partent, il y a déjà un système de solidarité. Est-ce que les ONG nationales peuvent prendre le relais je pense que ceux qui a chassé les ONG internationales peuvent chasser aussi les ONG nationales. Hein. C'est une question de sécurité. Je connais des ONG nationales, des acteurs qui travaillent dans cette région et qui ont aussi, euh, qui réfléchissent hein, à comment circonscrire leurs activités dans les zones les moins exposées, etc. Donc dans cette zone, je pense que c'est difficile pour tout le monde. Mais en même temps, je pense que pour ces réfugiés, il faut absolument trouver un mécanisme, c'est-à-dire... Euh, euh, voilà des gens qui sont là euh, par milliers, installés dans des camps. Pendant longtemps, on leur a fait croire que là, les ONG vont les aider jusqu'à ce que la situation s'améliore. On voit que la situation ne s'améliore pas et donc euh, elle devient extrêmement difficile. là, comme l'a dit Faye, des habitudes sont créées. Cette personne là été prise en charge par les humanités. tout d'un coup, les gens s'arrêtent et donc ça fait un vide difficile à combler. Euh, la solidarité des gens dans un contexte de pauvreté, ça peut peut-être faire un partie. Mais à mon avis, l'État doit faire euh, un peu d'efforts euh, pour au moins éviter des épidémies et autres. Hein. quand il y a du monde réuni dans des, situations comme ça, lorsqu'il n'y a pas de minimum, souvent ça débouche des épidémies, des situations encore plus difficiles à, gérer. À mon avis, l'État du Niger, celui du Mali, peut essayer au moins d'apporter un peu, un peu, un peu d'appui pour que ces populations ne puissent pas tout coup, du jour au lendemain, se trouve totalement abandonné. Je pense rapidement pour répondre à votre question et changer les ONG le, le, Je pense que ça peut être aussi euh, une solution à, court terme. Pourquoi Parce que, les, par exemple, les terroristes ou les kidnappeurs ont plus besoin des, des, des Européens, des étrangers que des Nigériens. Donc, c'est aux ONG qui sont en train de partir d'aider financièrement matériellement les ONG locales et, à aider aussi les réfugiés. Moi, je pense que ça peut être une solution de repli pour un temps. Fin de la longue grève des enseignants des universités publiques du Niger. Leur syndicat vient de signer un protocole d'accord avec le gouvernement. Selon le secrétaire général du syndicat des enseignants des universités, euh, le gouvernement s'est engagé à ouvrir des pourparlers pour trouver un consensus sur les réformes engagées dans les universités, mais aussi à payer les arriérés des enseignants et d'autres droits statutaires en souffrance. Nabala Adere est interrogé euh, au téléphone par Adama Dawaki le gouvernement accepte le principe de liberté des propalaires avec le SNEC pour la conduite d'un processus consensuel sur tous les points de la réforme des universités publiques du Niger, y compris ceux déjà engagés. Le gouvernement accepte la restitution des retenues sur salaire procès de grève des militants du SENEX dans le salaire du mois de mai 2019. En contrepartie, le SENEX engage ses militants et militantes à faire des rattrapages en vue de sauver l'année académique en cours. Un arrêté du ministre gérera à PTC un nouveau calendrier de l'année académique 2018. Le gouvernement s'engage à payer intégralement les arrêts des droits statutaires en souffrance au plus tard en août 2019. Le gouvernement et le SENEX conviennent de la création d'un cadre permanent de concertation pour la prise et la gestion des des crises universitaires. Elle peut être sauvée puisque les retards, c'est cas par cas. Par exemple, la phase de lettres, les trimestres impairs sont exécutés, des examens ont été faits seulement c'est les copies qui ne sont pas corrigées. Rufai Dandoua, votre commentaire après avoir écouté le secrétaire général du syndicat national des enseignants-chercheurs. Hmm. on peut dire euh, tout ça pour ça. <laughs> Cinq mois pour rien. Aujourd'hui, pour voir le Sinex, euh, moi je pense, comme on dit <coughs> en Hausa, donc c'est <coughs> la nappe de la honte qu'on plie avec, euh, s'appelle, folie, comme on dit. Puisque le point d'achèvement de la lutte du de, c'était quoi C'était la nomination des recteurs, la nomination ou l'élection des, des recteurs. Aujourd'hui, ils sont venus d'art quand ils ont compris déjà qu'ils ont perdu et sur le plan judiciaire. À travers euh, l'Assemblée nationale. À travers l'Assemblée nationale, déjà, la, loi a été votée. Et devant le juge, ils ont perdu et parce qu'on avait déclaré illégal leur grève. Donc, il fallait, la veille des négociations. Il fallait sauver la face. Donc, c'est pour ça maintenant qu'ils sont venus, ils ont euh, négocié ce qui peut l'être, par exemple, et l'État aussi a fait des concessions euh, en acceptant de, de, ne plus de payer les frais défalqués pour, faire des grèves, de, de payer les arrêts. Ça, c'est normal. Les arrêts qu'on leur paie, ça, c'est leur argent. Maintenant, l'État a, a, consenti à, ne pas prendre les, les, frais pour faire des grèves. Ça aussi, c'est juste pour ne pas les ridiculiser. Moi, je pense que dans cette négociation, euh, ou dans ce protocole d'accord qui a été signé, le grand perdant dans cette situation, au-delà des étudiants qui ont fait cinq mois euh, sans aller à l'école, c'est le SINEX. Quoi qu'on dise, et le SINEX perd la face. Ils ont perdu dans cette lutte. Et le soir retiendra aussi qu'ils ont fait cinq mois de grève juste pour revenir à la dernière minute accepter ce qu'il ne devrait pas accepter, accepter quelque chose pour lequel ils n'était pas parti en grève, accepter quelque chose pour lequel à aucun moment ils n'ont fait de ça un point de, de, revendication. Aujourd'hui, moi j'ai lu et où j'ai écouté, j'ai regardé aussi les médias, j'ai lu partout sur Facebook, j'ai lu sur, euh, euh, de la presse écrite pour voir où est-ce qu'on a parlé du, pro, euh, du, grand point de revendication qui était la nomination ou l'élection des Je n'ai pas vu, je ne sais pas, peut-être que les, deux qui, sont là vont, peut-être me dire, mais moi je n'ai pas vu. Et si je n'ai pas vu ça, si eux peut-être n'ont pas vu ça, c'est que quelque part, c'est que le, le, a perdu. Moi je pense que Nabala et son équipe doivent tirer les conséquences de leur échec qui, a euh, démissionné s'il le faut parce qu'ils ont pris la vie en otage des milliers de, jeunes Nigériens qui vont, euh, si passage il y a, si année blanche il n'y aura pas, je pense qu'ils auront ça sur, la conscience parce qu'ils ont hypothéqué l'avenir des, milliers d'enfants. Même si, on, même si on arrive à sauver l'année, on ne peut pas sauver cinq mois d'une année universitaire qui est censée être de six mois dans un système de LMD. Qu'est-ce qu'on va, quel genre de cours de rapportage on va faire quand on sait aussi que les enseignants sont pour la plupart des conseillers de tel ministre, des conseillers de tel premier ministre ou du, président de la République. Ils n'ont pas le temps, ils sont toujours en voyage. À quel moment ils vont et faire des cours de rapportage Je pense qu'on a juste signé l'accord pour sauver la face du SNEX. Isamadougou, la signature de ce protocole d'accord intervient après cinq mois de grève. Quelles sont les leçons à tirer D'abord, euh, moi je me réjouis du fait que les universités publiques ont euh, au Niger vont reprendre les activités. Mais ce que je peux retenir, c'est qu'après cinq mois, ils sont capables, les deux parties, je parle du SNEX et du gouvernement, de se retrouver sur une table et de s'entendre Durant cinq mois, ils ont laissé traîner. Il y a des gens qui se sont, des institutions qui ont essayé de tenter des médiations. Rien. Et finalement, on n'a rien compris de la sincérité des deux parties. Moi, je me rappelle le ministre, une fois dit, sur le plan sur la réforme des universités, pas question de négocier, mais on peut négocier sur les autres points. Le SNEX dit non, les autres points, ça c'est secondaire c'est sur la réforme des universités. La nomination des recteurs et des vice-recteurs. Euh, c'est le, ministre a gagné. <laughs> et aujourd'hui, dans le protocole d'accord qui, dans lequel figure 5 points, moi je n'ai pas vu, j'ai parcouru, j'ai parcouru, je ne sais pas si c'est peut-être que le document que j'ai n'a pas ce point. Donc c'est le même document, j'ai pas vu cela. Donc je me suis demandé, alors, pour quelle fin Pendant 5 mois, arrêter les cours, pendant que même des citoyens ordinaire c'est là pour vous demander, s'il vous plaît, ayez pitié de ces enfants. Ce que vous êtes en train de faire, c'est pour la nation nigérienne que vous êtes en train de euh, vraiment de bloquer un avenir, certains de, de ces jeunes. Ah, mais finalement, où c'est pour cela qu'avant d'engager quelque chose, moi, je, je l'ai dit une fois ici que tôt ou tard, le SNEX va revenir sur sa décision. Et le SNEX l'a fait. Il ne faut pas engager des mouvements et au finish, vous allez sortir. Si c'était vraiment quelque chose de très euh, noble, franchement, même les Nigériens allaient accompagner le SNEX. Mais parce que le SNEX, dans un passé récent, s'est relevé contre ces mêmes étudiants. Ils ont oublié qu'ils peuvent être des parents d'élèves, des parents d'étudiants, qui peuvent être vraiment ces précurseurs d'un avenir radio pour le Niger en renvoyant des élèves à Toubo pour un problème banal entre élèves et étudiants et enseignants-chercheurs, ils ont, ils ont renvoyé des étudiants. Cinq, étudiants. Aujourd'hui, si euh, et autres ils sont obligés de partir étudier quelque part. Pourquoi Et voilà que l'université. Et derrière cette, situation, c'est qui l'a entretenu C'est même, euh, dans le même groupe de ces enseignants-chercheurs qui d'autres sont tapis dans le, dans le bureau de conseillers, qui sont en train de combattre leur même structure. Donc, voyez-vous, c'est pour cela, parfois, il faut, il, faut être, il faut de la hauteur pour comprendre certaines choses. Moi, je pense que les cinq mois n'ont servi à rien. Et finalement, les cinq mois sont seulement démontrés aux yeux de l'opinion que le SNEX était parti en vagabondage syndical. Rien et autre. Hassan Boukara, pensez-vous que les facultés vont fonctionner à nouveau et que tous les engagements seront respectés à la lettre Bon, c'est difficile euh, de dire, mais déjà, on peut dire, euh, comme mes prédécesseurs l'ont dit, euh, rattraper cinq mois quand même dans un cursus universitaire, c'est extrêmement difficile. je pense que le SNEX, ils ont bien fait de le rappeler, a engagé un peu de temps deux combats qu'il a perdus. Le premier, c'était contre la CASO. Je pense que la CASO est toujours là. Ils ont sanctionné des étudiants, mais l'institution CASO est toujours là. Là, ils se sont engagés dans un bras de fer sans avoir les moyens de tenir face à un gouvernement qui voulait aller jusqu'au bout. Et là, au bout de cinq mois, ils font le constat que finalement, ils n'ont pas tenu ce bras de fer. Et donc, ils sont revenus essayer de sauver, la face. Le gouvernement est à l'aise, hein. il a gagné sur tous les plans. Il a obtenu sa loi. il est allé devant les tribunaux, il a gagné face au SNEX. Et donc, finalement, le gouvernement est mieux préparé dans ce bras de fer. Et en fin de compte, c'est le gouvernement qui a gagné. Et donc, aujourd'hui, au bout de cinq mois, le SINEX fait le constat de l'échec de sa stratégie. Et donc, euh, ça ne marche pas. Ce n'est pas qu'ils ont tort d'aller dans ce mouvement. Mais euh, une direction syndicale doit aussi avoir une stratégie. Je pense que du point de vue de la stratégie, ils ont mal jaugé le rapport de force euh, qui était à leur défaveur. Et je pense que même au sein de l'opinion, ils n'ont pas gagné ce, combat-là. C'est-à-dire qu'une bonne communication aurait pu au moins se les présenter comme des victimes. Je pense que même cela, ils ne l'ont pas gagné. Et c'est bien dommage aujourd'hui que, euh, que, cela arrive. Maintenant, le gouvernement, euh, qu'il aille euh, devant les tribunaux pour déclarer la grève du SNEX illégale, il a aussi attendu cinq mois pour le faire. Hein? il a quand même l'obligation de sécuriser le, cursus des étudiants, sécuriser cinq mois pendant lesquels il dépense de l'argent dans les centres nationaux ah. universitaires. Il fait des investissements pendant cinq mois alors qu'il n'y a pas de cours. Et donc, je pense que le gouvernement a aussi agi avec beaucoup de responsabilités, euh, sacrifiant cinq mois pour les, étudiants. Et aujourd'hui, euh, comme Issa le montre, euh, là, au bout de cinq mois, il se rappelle qu'il peut quand même parler. Ah, il a fallu cinq mois. Mhm. Oui. Hassan Boukar, euh, l'année académique euh, pourra-t-elle être sauvée avec euh, des mois de retard accumulés mais les, années universitaires, hein, je pense que, en tout cas, s'il faut juger par l'université de Niamey, chaque année, ressemble à quelque chose d'un peu bizarre. Hein. C'est pas des années normales à l'université de Niamey. <laughs> Donc là, ils ont perdu cinq mois. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont proposer quelques mois ou quelques semaines voilà. Vous, dans, les vacances C'est-à-dire qu'on on va faire des choses express, on va, on va réunir les étudiants, dire euh, on va maximiser, faire des choses, etc. Enfin, ça va être un peu de, de sauvetage. Qui dit sauvetage dit une situation qui n'est pas tout à fait normale. Ou bon, en fin de compte, on fera quelque chose pour dire que l'année n'a pas été blanche. Mais les victimes, ça va être les étudiants. Et, vous, à, chaque, à, chaque, fois, on a toujours parlé de la baisse des niveaux qui n'est pas seulement au niveau, au niveau primaire ou collège ou lycée, c'est même au niveau universitaire. Aujourd'hui, quand on passe avec une année <clears throat> de, de 5 mois de retard, on va colmater, colmater les brèches et on va passer les étudiants. Comment on va les passer On ne sait pas. Et maintenant, l'année là, ou certains modules, vous les avez ratés et ce n'est pas évident de les rattraper. C'est pour ça que euh, aujourd'hui la baisse de niveau, elle est généralisée, elle est à tous les niveaux et c'est malheureux pour, pour l'avenir de ce pays. C'est ça, c'est ça qui est. Et ça vous avez quelque chose à ajouter rapidement Oui, effectivement, même pour l'enseignement supérieur. Moi, je me suis dit dès le départ que le SNEX avait engagé ce mouvement, où le gouvernement a refusé d'obtempérer par rapport à sa dynamique d'aller vraiment à l'adoption de ce projet. Le SNEX aurait pu vraiment être stratège pour comprendre que en, en allant dans le sens que le gouvernement aussi veut le pousser à aller dans son dans son agenda à la, à la descente aux enfers de, l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, l'enseignement supérieur nigérien, ça ne marche pas. Il faut, il faut le dire clairement, ça ne marche pas. Avec cinq mois, surtout l'université de Niamey, où on appelle en première année, il y a des années, euh, toujours des promotions et des promotions en, première année. Euh, voyez-vous combien d'années il faut encore pour pouvoir remédier à cette situation. Et ce qui veut dire que les grèves aussi, c'est n'est pas encore fini. On ne sait pas comment Voilà. Comment convaincre les étudiants Bah, euh, euh, oui, comment convaincre les étudiants euh, pour venir faire des cours de rattrapage Puisque c'est bien beau d'avoir un accord entre le SNEX et, le, et le, gouvernement. Et les étudiants, ça veut dire qu'on va sacrifier leurs vacances, ne pas aller voir les parents, ne pas aller eh, aider les parents dans les champs et autres. Mais surtout pas revendiquer à travers des grèves. De, ça, ça c'est un autre problème. Ah, pour le pour aussi, je pense que certains engagements qu'ils ont pris, notamment ces arriérés à payer, je crois que c'est jusqu'en août, c'est un peu l'engagement. Et je comprendre que ça fait au moins 1 milliard, 1 milliard 500 millions. Hein. Euh, dans le contexte actuel, on n'a aucune garantie que le gouvernement va sortir cet argent. <laughs> aucune garantie. La fermeture prochaine de la compagnie minière d'Akuta Kominak qui exploite l'uranium depuis plus de 40 ans a fait réagir la société civile d'Arleta. Écoutons un extrait de Maïdawa Boubakar, membre de la société civile au micro d'Ousmane Oumarou. Depuis quelques mois, circule une information sur la fermeture de la Cominac. Information confirmée par les membres du gouvernement nigérien, notamment de l'interpellation du ministre des Mines par les députés nationaux et lors de la rencontre du 9 mai 2019 à Arlit entre la société civile d'Arlit et les représentants de la Cominac et Orano. Face à la réalité des faits, les organisations de la société civile d'Arlit ont décidé de la mise en place d'un observatoire de la société civile pour les mines de l'Aïr. La réunion constate que le projet de la fermeture de la Cominac est le plus grand chantage que le Niger subisse dans cette aventure qui a commencé depuis un demi-siècle et invite les Nigériens, citoyens et gouvernants, de s'en défaire et recommande la confiscation par l'État du permis d'exploitation de la mine d'uranium d'Imouraren, la nationalisation de la société communac ou sa reprise par d'autres partenaires, Isamadougou, la société civile a toujours accusé Areva, aujourd'hui Orano, de, polluer l'environnement et l'eau, etc. Et aujourd'hui, elle est contre la fin du Cominac. Comment expliquer cette contradiction Merci Mokhtar, mais écoutez, l'uranium, c'est une énergie non renouvelable. Donc il faut s'attendre à ce que le jugement euh, s'épuise depuis 1980, si j'ai bonne mémoire. 78, la, 78. 78, hein, euh, la mise en production de, mm-hmm. du jugement de la Cominac est souterraine. Il faut s'attendre à l'épuisement du jugement. C'est normal, mais quand même, ce qu'il faut déplorer, c'est qu'avant d'arriver à cette situation, il fallait prendre des mesures. Il fallait trouver vraiment des stratégies pour pouvoir, comme le cas de... Parce que il y a deux sociétés. Moi, je n'ai Jusque-là, je n'arrive pas à comprendre les, stratégies managériales de la Somaïre et de la Cominac. Vous voyez, la Somaïre, chaque fois, quand c'est vrai, c'est à ciel ouvert qu'ils exploitent, mais chaque fois, avant même d'arriver à la fin du site sur lequel ils sont, ils sont en prospection et ils ont des périmètres de surplus. La Cominac, depuis ces années, ils ont continué dans la même dynamique de, de forage souterrain. Et on n'a pas pensé à d'autres alternatives. Et aujourd'hui, grâce à la mine, il y a toute une ville qui s'est installée. et c'est cette mine qui fait vivre la ville. C'est des milliers de Nigériens qui, sont venus de Bilma, de Jinjimi, de Zender, de Gaïa, de Ayarou, presque tout le Niger. Et même des expatriés qui travaillent là-dessus, euh, dans cette euh, mine. Et aujourd'hui, on dit d'un seul coup, euh, ce qui veut dire qu'on n'a pas pensé depuis des années comment trouver une solution alternative à cela Que cela ne tienne. Bon, moi, je pense que il y a aussi un plan qui a été défini depuis, parce que quand on fait une société, quand on installe, on doit avoir les tous les documents nécessaires qu'un cas de fermeture, euh, surtout dans le domaine de l'exploitation minière. Il y a des plans vraiment très, très couronnés qui, qui sont établis dès le départ et qui prennent est fait en fonction des réalités. Ce n'est pas statistique. Ça veut prendre maintenant les conditions euh, actuelles socio-économiques du pays pour que tout le monde soit dans ses droits. Mais c'est que qui va être la, ville de Cominac après la fermeture Parce qu'on parle de à l'horizon 2021. Qui va être il, y a des solutions. Moi, je pense qu'il y a un, un, réversement qui peut être possible si le gouvernement est de bonne volonté. Issa Madougou, on voit une société civile qui s'inquiète de la pollution, de l'environnement, de la pollution de l'eau et être contre aussi la fermeture de la mine de Kominaka. Ben, c'est deux questions qui Moi, je pense que c'est très... deux questions distinctes. Parce que ici, c'est une question de survie. Ah oui. Eh, là-bas, c'est non. De là-bas, de toutes les façons, de toutes les façons, avec la question environnementale, les gens ont dénoncé, les gens ont dénoncé. Il n'y a pas des ONG, même là-bas au niveau local, qui travaillent en contrepartie avec Areva, malgré les, déclarations qui font sortir. Les ONG, ils se retrouvent ici dans une consommation nationale avec d'autres ONG. C'est les mêmes ONG au niveau local d'Arlit qui retrouvent qui, les leaders qu'on envoie en pâturage touristique euh, en Europe. Non, moi je pense que ici c'est un peu délicat parce qu'il ne faudrait pas que et cette ville va se transformer en ville fantôme, comme on le voit dans les pays développés quand une mine ferme. parce que la difficulté, c'est là. Moi, je pense qu'il faut penser à une stratégie. Par exemple, comme Govies veut installer, est-ce que ne pas faire la connexion avec ça, les, ouvriers qui sont encore utiles sur le terrain, qui ne sont pas à l'âge de la retraite, de les reverser là-bas. C'est-à-dire, c'est des plans sociaux qu'on peut imaginer qui peuvent un peu donner vie à la ville. Mais laisser partir tout le monde dans la misère, même si les gens ont eu. Supposez que à partir de 2020, fin 2020, qu'on puisse donner à tout le monde les moyens, ses droits, et d'une manière vraiment équitable. Vous pensez que les gens peuvent continuer à, euh, vivre cette situation Non, parce qu'il n'y a pas de travail. Même si vous avez l'argent, vous n'avez pas de travail, ça ne va rien, votre quotidien ne va pas changer. Et connaissant un peu les réalités, les menaces qui guettent euh, avec la frontière libyenne qui est là, le Mali de ce côté. Est-ce que les gens sont prêts à supporter ces chocs sécuritaires Moi, je pense qu'il faudrait penser vraiment à des plans sociaux qui peuvent apporter vraiment de la calmie dans la vision d'avenir de ces gens de la Cominac. Hassan Boukar, la fermeture de la mine de Cominac, selon les décideurs, est due à l'épuisement de la réserve et à la baisse du prix de l'uranium sur le marché international. Êtes-vous de cet avis ou il y a d'autres causes C'est vrai que depuis, depuis quelques années, je peux dire depuis l'après Fukushima, sur le marché international, l'uranium ne se vend pas très bien. Euh, donc ça agit sur la vente de l'uranium sur le marché international. Il y a aussi toute une campagne contre le nucléaire hein, dans les pays qui en consomment. Et donc tout cela réuni a eu un effet négatif justement sur, la vente de l'uranium sur le marché international. Et comme euh, Issa l'a dit, bon, on savait aussi hein, qu'un jour ou l'autre, ça va finir, l'uranium. Euh, maintenant, le, le problème, c'est qu'en amont, on n'a pas beaucoup réfléchi à comment gérer la fin. C'est-à-dire qu'on savait que ça allait finir. Mais là, aujourd'hui, on met en avant les situations financières difficiles de, la Communac Mais on devait aussi savoir, puisque les tonnages sont souvent calculés, on devait savoir à partir d'un certain temps, ça va finir. Alors, on aurait pu amortir cette chute-là pour que ça ne devienne pas quelque chose de tout à fait brutal. Donc, moi, je pense que le fait de dire aujourd'hui que l'uranium se vend mal, <clears throat> ce n'est pas faux, c'est quelque chose qui est bien réel sur le marché international. Ce que moi, je déplore, c'est que le Niger ne s'est pas préparé à ça. C'est-à-dire qu'en tant que pays producteur, on devait voir venir cette fin préparée, que ce soit sur la question du personnel qui va être licencié, c'est évident, sur les mesures sociales à prendre, mais aussi sur la question sanitaire et environnementale. Hein. Euh, aujourd'hui, tous les déchets qui sont déversés, comment on va les gérer Déjà, en France, pour Orano, il y a tout un débat aujourd'hui sur comment euh, gérer les déchets radioactifs. Euh, il y a tout un débat, les écolos se battent pour que dans certaines zones qui ont été déjà ciblées, on ne puisse pas venir enfouir dans le sol euh, ces déchets radioactifs qui, tôt ou tard, peuvent avoir des conséquences sur l'environnement. Mais aujourd'hui, à Arlit, euh, je ne sais pas si le gouvernement est capable de d'engager un bras de fer avec Orano pour dire vous devez gérer les, tout ce qui reste comme déchets. Je ne suis pas convaincu de ça. Et donc, au-delà de toutes les conséquences sanitaires que la population de cette région du Niger a vécues, je pense que pendant longtemps, les conséquences de l'exploitation de, l'uranium, les gens vont continuer à les vivre. Je pense que ça, c'est vraiment la faute, euh, la faute du gouvernement qui devait s'imposer face à des partenaires. C'est lui qui signe le contrat, c'est lui qui devait venir voir, euh, qui devait voir venir la situation et se préparer en conséquence. Aujourd'hui, apparemment, c'est comme si on est surpris en fait de ce qui arrive. Dandoua, que craignent ceux qui déclarent être mécontents de la fin de vie de Cominac et comment voyez-vous les lendemain des travailleurs de cette compagnie Rapidement. Euh, je pense que euh, c'est quelque chose d'inévitable maintenant et à l'allure où vont les choses et, ils, sont, ils vont lutter, ils vont faire des déclarations à, à, tort et à travers, mais en fin de compte, on va, on va fermer la Cominac. C'est inéluctable. Mais moi, euh, comme l'a dit eh, Abba surtout, eh, on dit gouverner, c'est prévoir. prévoir. ce qu'on n'avait pas fait. Et, récemment, c'est dans le même ordre, dans le même cadre, on avait discuté avec un, un Français bien placé, qui nous disait, c'est vrai, à un moment, on disait que eh, trois ampoules, je crois, sur quatre en France étaient eh, allumées par, allumées Niger. Il dit, oui, c'est vrai, à un moment, c'était vrai, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Et, c'est en ce sens que l'État français avait anticipé beaucoup, sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, le euh, en termes d'achat d'uranium, le Niger vient en troisième position parmi les, les, pays qui vendent l'uranium euh, en France. Ça, beaucoup, beaucoup ne le savent pas. La France avait compris que ça pouvait être un problème. Aujourd'hui, avec aussi la fermeture de, la Cominac, on avait un moment lutté à, à, nigérianiser ou à nationaliser les, les, postes. On a, on a eu des DG nigériens. Et malheureusement, c'est autant de DG de, euh, nigériens que tout cela arrive. J'ai lu quelque part, je crois, mais un texte où quelqu'un disait, et avec le licenciement, si c'était un, euh, un DG blanc, cela n'arriverait pas. Vous voyez, et, toujours ça tombe sur nous. Et pourquoi ça tombe sur nous Parce qu'on ne prévoit pas l'avenir. On ne pense toujours qu'à tout de suite tout ce qui va se passer sur place. Et aujourd'hui, ce sont les conséquences. Et au-delà de, de, de, de, ces conséquences, les conséquences que, que Abba a citées sur la gestion des déchets, va, va poser encore, encore le problème parce qu'on va les laisser là-bas à Arlit, ça va intoxiquer euh, la, la, population qui ne, oui, qui, qui, qui n'a plus, et qui n'a plus le, travail pour, le, pour lequel tous ces déchets euh, sont là. Vous voyez, tout cela n'a pas été géré et c'est la faute à, nos décideurs qui n'avaient pas anticipé tout ce qui pouvait advenir un jour. Aujourd'hui, les conséquences, on va, on, va les, on, va, on va les ramasser. Les Nigériens vont payer les pots cassés. Eux, de, la commune, ils vont, ils vont s'en aller. Ils vont se tourner vers d'autres gisements s'il y en a, même si, comme l'a dit Abba, depuis Fukuyama, l'uranium ne se, ne se vend plus. C'est pour ça aujourd'hui qu'il faut chercher même au Niger. Il faut penser, ça doit être un déclic pour le Niger Aujourd'hui, même en France, ils, parlent de, de, de, de l'énergie euh, propre, renouvelable. renouvelable. Au Niger, on a le soleil et euh, gratuitement, on peut l'utiliser à bon escient, comme bon nous semble, mais on ne le fait pas. Je pense que ça doit être une solution, un des clés pour qu'on pense à l'avenir. Nous sommes au terme de ce forum de studio Kalangou. Merci à nos invités Hassan Boukar de la radio alternative, Issa Madougou de la radio et télévision Ténéré et Rufai Dandoua, journaliste et sportif. Merci aussi à tous les auditeurs pour votre fidélité au programme de studio Kalangou. Rendez-vous samedi de 17h15 avec Hawa Ousmane pour le forum en Hausa et dimanche avec Habib Garba pour le forum en Zarma. Merci, au revoir.